deux questions qui concernent le, ministère qui n'ont pas trouvé de solution. Ils ont dit à la question de la clôture de l'université de Zander et puis la question du bitumage de la route qui passe devant l'université qui, selon eux, est responsable de beaucoup d'accidents, dont souvent des morts Et ils sont revenus quelques jours après pour nous dire que face à ces deux revendications, vraiment, ils n'ont pas eu une oreille attentive du côté du ministère et qu'ils vont commencer un débrayage. Ils ont fait trois séries de grèves de un jour, deux jours. Et troisième séance la semaine passée, donc le vendredi passé, j'ai informé le, ministre du Ils sont revenus le vendredi après la prière du vendredi, mais vu que euh, le ministre les a appelés, que maintenant ces questions-là, ils les ont reléguées au niveau du CD. Et le même jour, Dieu merci, le gouvernement les a reçus. Il leur a fait don d'un bus. Parmi leurs revendications, ils ont évoqué le problème d'insuffisance des bus. Donc, maintenant, contre toute attente, ce lundi matin, on nous a informé qu'il y a un groupe d'étudiants qui inaugurait des salles en paillotes qu'ils ont construites. Et d'après les informations que nous avons reçues, ces étudiants sont venus nuitamment pour construire ces deux salles en paillotes pour, selon eux, choquer le gouvernement